Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci de nous avoir pratiqué sur la Dépêche TV dans ces cercles euh, culturels, musicaux et culturels. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ce deuxième numéro, nous avons eu le plaisir encore ce soir de recevoir un grand homme, un acteur culturel, un grand artiste, un artiste international qui fait ses preuves euh, sur l'arène musicale, qui a fait euh, énormément de et qui des choses lucratives euh, dans le domaine musical. en tout cas, c'est un homme vraiment que nous avons le plaisir, franchement, et nous aurons le plaisir ici même dans cette émission, une émission d'art d'art 100% culturel, une émission qui fait ses preuves, qui fait des bombes au milieu, euh, au milieu culturel, qui a eu ce plaisir, énorme plaisir, immense plaisir de vous accueillir en artiste avec euh, une, une, grande envergure dans le domaine musical, non seulement au niveau, au niveau national, mais également au niveau international. et se nomme tout simplement Chigo. Shingo, mon frère. Yeah, le grand journaliste, le grand chroniqueur. Oui, mon frère. Comment allez-vous Oui, ça va. Et toi Ça va, Alhamdulillah. Euh, j'espère que vous allez bien. Oui, Alhamdulillah, tout se passe bien, tout se porte bien, Machallah. Et merci euh, de répondre à notre invitation. Euh, nous sommes dans une émission, comme je, je, vous avais annoncé, une émission d'art d'art 100% culturel c'est votre émission. vraiment, c'est un immense plaisir pour nous de recevoir euh, un grand artiste comme vous aujourd'hui euh, dans notre émission. Euh, nous allons aborder directement les questions. la première question, je voudrais franchement savoir avec mes internautes sur la Dépêche TV, c'est pourquoi ce nom Shingo Est-ce que c'est un nom, c'est un nom euh, artiste, l'artiste ou bien c'est votre nom qui se trouve sur la, sur la carte d'identité Oui, Shingo, c'est mon vrai nom, c'est le nom que mon père a choisi pour moi. Donc comme j'ai vu que c'est un nom un peu rare et un peu euh, culturel, donc j'ai maintenu ce même nom comme nom d'artiste. Donc je m'appelle Shingo à l'état civil. Mm-hmm. Je m'appelle aussi Shingo mm-hmm. au niveau euh, de, la culture dans la musique. Ok, chers internautes, euh, je pense très bien que vous avez compris parce que euh, euh, d'autres personnes vont dire que peut-être Shingo, ce n'est pas, pas un nom propre, c'est son nom propre. alors, c'est son, son nom d'état civil. Donc, mais Shingo, en tant qu'artiste, quand est-ce que vous, vous avez commencé à ressentir le plaisir de chanter bah, Depuis quand je faisais la, le cycle primaire c'est à ce moment-là que j'ai senti que je dois être un artiste. c'est quelque chose. Euh, euh, c'est un don de Dieu. Je n'ai pas forcé à être artiste. Oui. Je suis devenu artiste euh, naturellement. C'est euh, vers les années. 98, 99, vers les années 2000. C'est à ce moment-là que je suis entré dans le rap, qui est une culture urbaine à travers le rap. Après, j'ai terminé aussi euh, à être un artiste musicien, donc qui s'applique dans la variété. Quoi. Tout étant aussi dans la variété musicale, mhm. je suis en même temps aussi un acteur culturel. j'organise avec mes, avec mes avec mes amis, des concerts, des plateaux de musique, des plateaux de terre, des expositions. Donc, arrivé, arrivé un moment aussi, je suis un acteur culturel, un promoteur culturel, reconnu par l'État de Sénégal. Ok, donc euh, chers internautes, euh, c'est un, immense plaisir pour nous euh, de recevoir un grand artiste, un artiste international. Vous, ne pouvez pas s'en savoir. en tout cas, c'est un plaisir que nous tenons à partager avec, avec nos internautes sur la DFS TV. mais Shingo, depuis que vous, vous avez commencé à chanter, est-ce que vous avez eu à produire un album ou bien vous avez produit seulement euh, des, des, singles Oui, on a produit des singles, des singles, beaucoup de singles même. On a produit aussi un album pendant la période du euh, Covid-19. On a produit un album que nous avons distribué gratuitement pour sensibiliser les populations. En même temps aussi, cet album nous a permis d'avoir des dons alimentaires et des dons sanitaires pour aider les, certains détenus qui sont dans les prisons, notamment dans la prison de Rufus Kotengue, prison pour femmes. On a aussi distribué des dons sanitaires pour les populations, notamment Kermassar et alentour. Kermassar, Malika et alentour. On a fait aussi des singles qui prônent pour la liberté des euh, la liberté des détenus au niveau du Sénégal avec un projet comme nos P37. Ok, cher Jean-Donald, euh, vous, vous avez bien compris que c'est un artiste, euh, il, est, il est au cœur des actualités, et parce que tout ce qu'il vient de nous dire et leurs signes sont basés sur, sur l'actualité, et il s'humanise, et il s'adresse à l'humanité, à la sociabilité, et vous avez bien compris. mais Shingo, euh, en tant que grand artiste, est-ce que vous avez des projets en cours Si, si, on a des tas de projets, mais les projets en cours, à ce moment-là, on veut euh, créer des centres de réinsertion sociale, éducative et sportive euh, au niveau de Dakar, notamment à Kermassar, ici à Golda, au sud du pays. Donc, c'est des projets que nous sommes en train de réaliser à ce moment aussi, on a un projet d'un grand, grand concert <laughs> avec le ministre du commerce et des petites et entreprises du Sénégal, notamment la, Madame ministre Aminata Assom djata <laughs> C'est le 22 prochain, le 22 mai 2021, Inch'Allah. Donc sur ce, on est en train de vouloir <laughs> euh, faire la symbiose des cultures. Et puis comme il y avait derrière nous des problèmes entre euh, Sonko que Pasteur, à APR opposition pouvoir c'est une très grande occasion de montrer au, euh, monde international mm-hmm. que le Sénégal c'est un pays de dialogue c'est un pays de paix et que nous sommes tous une famille dans chaque famille il y a des problèmes et les problèmes aussi se règlent en famille donc ce concert a pour but de mobiliser les populations, de les conscientiser et de leur dire que nous sommes tous Ok. Ok, chers, euh, cher internautes, je pense que vous avez euh, très bien compris. Euh, Shingo, ils ont, ils ont énormément de projets en cours. Euh, ces projets, ce sont des projets lucratifs dans le domaine musical, mais également dans d'autres, domaines. Et pour tous ceux qui viennent de nous pratiquer sur la Dépêche TV, nous recevons pour vous un grand artiste, un grand artiste, un artiste international. Euh, il, se nomme tout simplement Shingo, Shingo et qui nous vient de Dakar. Alors, euh, Shingo, on va revenir largement sur, euh, sur votre concert. Mais pour le moment, euh, je voudrais vous poser une, question pour, nos internautes. Est-ce que vous, vous chantez en, en solo ou bien vous avez un collectif D'abord, moi, je suis un parce dans un groupe dénommé Africanité. Voilà. Africa, d'être Africanité. C'est un mot voilà, c'est un mot français. Oui. Unité, l'intelligence, la perfection mentale. Unité aussi, c'est Africanité, c'est la fierté d'être un homme noir, d'être un, fils de la terre-mère qui est l'Afrique. Donc, j'ai voulu dans ce groupe Africanité avec mon ami Commando. Mais à travers ce groupe, on a aussi initié une association dénommée Africanité avec FAMILY. Africanité Famille qui regroupe des groupes de théâtre, qui regroupe des ouvriers, des, géomètres, des professeurs, des directeurs d'école, qui regroupe toutes les couches de la population et d'autres groupes d'artistes, notamment des instrumentistes et tant d'autres. Donc Africanité, c'est un groupe de musique d'abord, mais à travers ce groupe de musique, il y a une association, une symbiose des cultures, une symbiose des des, métiers aussi. C'est ça, mais dis dans un groupe de musique euh, avec, Commando. Eh, commando, nous, <laughs> nous te saluons des passage quand même, eh, le grand, le grand Commando. Et eh, voilà, et cher internautes, vous avez, vous avez compris. on va revenir euh, sur, euh, sur votre. Est-ce que vous avez des projets dans, dans, dans, le futur quand même ce que, Est-ce que vous, vous, menez encore des activités euh, c'est-à-dire qu'en dehors de la musique Oui, oui, si, si, en dehors de la musique, nous avons une télé en ligne qui s'appelle Nite TV, qui est une propriété de, de, de, de l'association. En même temps aussi, on a, on a une structure de production qui s'appelle Nite Production. Okay. Production, quoi. Là-bas, c'est le studio audiovisuel, là où on compte nos clips, là où on, euh, on, fait nos enregistrements audio. On a aussi un métier de service euh, qui fait des les artistes des t-shirts, tout ce qui tourne dans le numérique, quoi, sous support. Donc nous sommes des artistes engagés. C'est à cause de cet engagement-là que nous savons qu'il nous faut une indépendance. Et pour cette indépendance-là, il faut créer des entreprises ou bien créer une entreprise pour avoir une autonomie financière, pour pouvoir faire sa musique honnêtement et euh, avec dignité. C'est ça. Euh, chers internautes, tout, euh, tous ceux qui vient de nous pratiquer sur la Dépêche TV, nous recevons pour vous un grand artiste qui nous, vient de, qui nous vient de Dakar et son nom tout simplement Shingo. Euh, c'est un grand artiste, un artiste international et qui fait beaucoup d'activités culturelles. Et c'est un vrai, vrai acteur de la culture aujourd'hui. Et nous, connaissons euh, des œuvres qui sont en train de mettre en place euh, en parallèle avec euh, son, son, groupe et son, son, frère, son frère commando que nous saluons de passage. voilà, mais Shingo, nous allons revenir largement sur votre, votre concert. Est-ce que vous pouvez nous parler votre concert, votre concert largement quoi Oui, oui. Vous savez, à Kermassar, c'est la nouvelle ville dakaroise. C'est une ville de 25 km, 2 presque avec plus de 600 000 voire 700 000 habitants. Donc les populations qui sont à Kermassar, il y a des régions qui n'ont pas cette population. Donc des fois, on peut dire que Kermassar a plus d'habitants mhm. que certains de certaines régions du Sénégal. C'est pour cela que la culture a une très grande force là-bas. Donc, notre projet sur cet spectacle-là, c'est de vouloir montrer au président de la République mm-hmm. que nous, Massarois, mm-hmm. nous, sommes une population consciente mm-hmm. et que nous sommes aussi une population digne, honnête. À travers ce concert aussi, mhm. nous remercions Madame la ministre Aminata Assom Diata, qui est une dame, mhm, mhm. qui est une dame de qui est une dame aussi consciente. Pourquoi consciente Elle n'a pas, à, elle n'a pas à chercher si africanité est dans le, parti au pouvoir, Madame le parti à Elle n'a pas à chercher si le groupe africanité est dans son mouvement Diapok Assom Affaire mais elle sait que l'Africanité est un groupe de musique numéro 1 à Kermassa, qu'on le veuille ou non. Mhm. C'est le groupe, seul groupe qui fait des combats mhm. pour la libération et l'indépendance des Massarois à travers les, malhonnêtes autorités qui sont là-bas en train de voler notre, argent et de lapider nos terres. Donc, c'est à cause de cela que Madame le ministre, comme elle veut faire quelque chose dans les sports et la culture pour montrer un autre visage de Kermassar, et nous avons Ensemble, on va réaliser ce, concert. Ce concert est précédé par un tournoi de football qui a réuni plus de 16 quartiers. Donc la finale, c'est le 22. Et la nuit, c'est le, le, concert. C'est dans ce concert mhm. que nous allons donner les trophées, les trophées, fair play, le finaliste, le second. Et dans ce même final, il y aura aussi euh, une signature de contrat d'une euh, de lutte, d'un gala de lutte euh, que le ministre est marin Donc c'est ça. Ok, euh, je pense très bien que. Euh, chers je pense bien que vous avez très bien compris. Euh, vient vraiment de nous parler. c'est un grand concert, un concert qui n'est pas à rater. C'est un concert, il faut absolument venir et, ils ont quelque chose dans le ventre et vraiment ils veulent partager avec, avec, avec la population de Kermassar. et même vous, pouvez quitter ici, à Kola, vous pouvez quitter dans n'importe quelle euh, euh, région du Sénégal pour aller euh, les voir sur chaîne. parce que Singo qui est là, devant nous ici, ça ne sera pas le même Shingo qui sera sur scène. J'espère très bien. voilà, effectivement. Donc, moi je le connais très bien avec son enthousiasme et, son dynamisme. Donc, c'est un grand, grand travailleur. Et franchement, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi et pour, ce deuxième numéro dans cette émission euh, d'art d'art 100% culturel. C'est une émission euh, qui, euh, qui vient de qu'on vient de mettre en place pour vous sur la Dépêche TV. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et vous pouvez rencontrer et regarder et suivre notre émission d'art d'art 100% culturel. mais Shingo, moi je voudrais, franchement, aujourd'hui nous avons vu en euh, avec la modernisation et la montée en puissance de, la nouvelle technologie de l'information, euh, on vit que franchement, euh, les CD ne sont plus sur le marché. Il y a beaucoup de piratage. avec tout cela, avec tout cela, comment vous vous en sortez financièrement Comment vous parvenez quand même à financer à financer vos, signes que vous produisez et vos activités euh, culturelles. Comment vous parvenez quand même euh, vraiment à financer ces, ces activités-là C'est ça. Donc, comme le monde a évolué avec la nouvelle technologie, ah avec les nouvelles technologies. Ah oui, Donc, étant artiste, nous, on a été un intelligent par rapport aux autres, ah oui. aux autres artistes qui sont des frères. ils oui, la facilité. <laughs> Donc, euh, on a su que le monde dans, un autre horizon. Effectivement. Étant mis groupe de musique, on a créé une association. Mais c'est à travers cette association mhm. que nous représentons une ONG dénommée Africa Camina. Une ONG qui est basée en Espagne. dirigée par un Sénégalais dont le nom est Moussa Sissé. Cette ONG euh, a existé depuis 10 ans, mais nous, depuis 2 ans, nous la représentons ici au Sénégal à travers les 14 raisons. On peut même dire euh, dans la sous-région africaine. Parce que Chingo, par là, c'est lui le décret exécutif de cette ONG. On a signé un partenariat avec euh, la, maire, mairie de Pambal, dont la maire, est le plus jeune maire du Sénégal, qui est Chakran. On a signé aussi un partenariat avec la mairie de Morolo, avec la maire Yves Lamine 6. On a signé aussi des partenariats ici à Kolda avec euh, la mairie de Kola il y a deux ans. Mhm, mhm. On a signé actuellement un partenariat avec l'association Yawa Yoli. Mhm. Donc, avec tout cela, donc, tu as de quoi faire ta musique honnêtement et aisément. Parce que quand tu représentes une ONG, tu as une fois à exécuter, tu as des activités à mener. Tandis que si tu y a un artiste qui est nonchalant, qui voit la facilité, tu as un problème. Parce que comme il n'y a plus euh, de CD ou bien on n'accepte plus les CD. Et quand tu te bases que sur les CD pour vivre, tu, es, tu, es, mort. Et quand tu es aussi un artiste virtuel, c'est-à-dire mhm. un artiste du studio, mhm. avec les studios, même les, même les, gars qui ne sont pas des chanteurs pour mhm. chanter, pour chanter. Parce qu'avec la nouvelle technologie, on peut changer les voix, mhm. augmenter la thune, mhm. créer de, bonnes choses. Quoi. Arriver sur, sur, scène, tu, vas, tu ne vas que jouer une fois et tu ne joueras plus dans ta vie. Ah Parce qu'il n'y a pas a pas le talent là-bas. Donc c'est ça. Nous aussi, on a su qu'il n'y a que le talent qui paye. Donc il faut de, de, de, séries répétitions. Mhm. En même temps aussi, il faut être un artiste engagé. être un artiste engagé, c'est de chanter mhm. les problèmes des populations et aussi d'amener des solutions. Ah Mais la plupart de ces artistes, mhm. c'est des commandeurs. <laughs> Ils sont là en train de demander de l'argent à leurs fans, en train de triander ou bien de vouloir la vie facile. Tu sors en single, il y a une, deux filles qui, qui, te regardent, tu regardes une millionnaire, tu la maries. Après, arrivé à un moment, tu as une fin de carrière, tu n'as plus rien à faire. Tu es malade, on demande de l'argent pour te soigner. Donc, Africanité est conscient de cela. Donc, c'est le travail qui prime. Notre ami, c'est le travail, c'est le travail paye. Donc euh, c'est le travail euh, paye. C'est la raison pour laquelle il est là euh, ce soir avec nous sur la DPS TV et pour tous ceux qui viennent de nous pratiquer en exclusivité dans cette émission sur la DPS TV. Vous êtes dans votre émission d'art d'art 100% culturel. vraiment, mais j'espère quand même que vous avez une page euh, YouTube. Et par exemple, si euh, un de vos fans ou bien quelqu'un vraiment qui vous a jamais, euh, vous a jamais vu et que voilà, il a une fois, il veut écouter vos sons, est-ce qu'il peut retrouver vos sons sur YouTube Si, si, on a des pages. Le groupe de musique est dans YouTube avec Africanité. Ok. L'association aussi a une page dans YouTube et Facebook Africanité Family. Ok. Aussi l'ONG aussi a aussi sa propre page et sa page YouTube. Donc il suffit seulement qu'on tape euh, Shingo ou bien même Shingo, Même Shingo, ça c'est bon. Ok, ok. Donc vous avez compris, si vous voulez écouter un de ces extraits, vous pouvez taper seulement Shingo. Shingo seulement et vous, vous l'aurez. Et j'en suis sûr et certain que vous allez kiffer. Vous allez kiffer et vous allez adorer ces, ces chansons. Donc euh, Shingo, c'est avec ça que nous allons partir directement avec un, playback. Et vous allez nous faire écouter un de vos chansons. Et après cela, on va revenir et vous allez nous expliquer pourquoi le, choix de ce son-là. Donc euh, voilà, nous allons essayer d'écouter. Euh, avec nos internautes, euh, on, on, un nouveau, son. Quoi. le nouveau single quoi. Oui, le nouveau, voilà, c'est d'accord, donc le nouveau single. Donc nous allons, vous allez écouter ça avec nous. C'est ça. Ok. SI. Need a production. Good day, Lunyanan. Yeah. It's fine. Need a production. udek lu raktan udeglu ñilandan raktan udeglu ñilandan raktan udeglu ñilandan sama udek lu ndaw dafa ndaw kay wala après ma jox la audio bi wadu oh, oh, son wadu son dafa ndaw waaw non non be be du abe da rek do fi la won ko ah foofu wala après man mun naa ko jox audio bi. après dama jox bi. monté ko. ah mu laal ko menang nañ playback ni après ma jox ko sama original buy buy lal mu monté ko ci video awadi di Need, need, need, oh iya xam naa batterie moo wàcc. si kii bi la wàcc. non batterie moo wàcc. batterie pourtant c'est chargé de. Yes, Nid Nid Production. ku déglu ñu la naan jàpp rap ku déglu ñu la naan jàpp rap ku déglu Yang in a nun. Yap, you follow, now let you turn on. Udeglu nyilana, japrap udai, udeglu nyilana. Baik, hey, Mr. Prezi, deglul wareumi, deglul wareumi. Lilo radak mojongni, yaw lañu Ya yaw lañu danon. dek, ñu la ya naan, japp rap dek, bu deglu ñu la naan. Oke, okay, so, ini nggak ampul, no? Ampul, no, Pak. Ini nggak ampul. Bon, euh, chers Donald, je pense très bien que vous avez kiffé ce chant avec, euh, avec nous. Et franchement, moi, j'ai quand même euh, adoré. Et parce que, voilà, avant même de parler, je vais laisser et il va, il va, on euh, peut nous expliquer et pourquoi c'est single. Pourquoi ce single C'est un single qui conscientise les populations, notamment la jeunesse et les politiques. Ah, ou bien les politiciens. Mhm. Les politiciens. <laughs> tu sais, au Sénégal, il y a des hommes politiques, mhm. des hommes honnêtes, des mhm. hommes intègres, des hommes qui ont une intelligence et une perfection, machallah. Effectivement. Mais à deux par deux, il y a aussi des politiciens, <laughs> des, hommes politiques qui ne sont que des vrais menteurs, qui ne font que brûler le pays par leur propre intérêt des politiciens qui ne font que monter des scénarios pour leur propre intérêt. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse ce pour dire mm. aux populations que le Sénégal nous appartient. Ah le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Mm-hmm. Le Sénégal n'appartient pas à Sonko, mm-hmm. ni aux autres hommes politiques ou ah bien aux, autres euh, partis politiques. Si le Sénégal devait appartenir à quelqu'un ou bien à mm-hmm. quelqu'une, le Sénégal devrait apprendre à appartenir mhm. à saint Touba mhm. ou bien Mam Alad Malik si, mhm. Bagnas, ou bien Seigne Babakar si, ou bien les, les euh, l'imam Je veux dire les hommes, les religieux qui se sont battus corps pour libérer euh, le Sénégal de, de et euh, des Occidentaux qui sont en train de nous épuiser jusqu'à présent depuis les temps coloniaux comme le Sénégal n'appartient pas à ces dignités religieuses là mm-hmm. Donc le Sénégal appartient au Sénégalais. Donc c'est pourquoi les jeunes ne, devraient même pas écouter ces euh, médiocres, politiciens mm-hmm. qui leur disent que non, sortez, on va brûler, on va euh, lancer des pierres, mm-hmm. on va insulter celui-là ou bien euh, euh, cette personne-là. Parce que s'il s'agit de descendre des cars, descendre des édifices publics, notamment euh, des ministères, notamment euh, euh, l'Assemblée nationale. Mhm. c'est notre argent. Effectivement. Mais les politiciens, sont intelligents. S'il s'agit de mhm. discuter mhm. des trucs qui leur arrangent, ils vont être ensemble, même pas 10 personnes pour discuter. Mais s'il y a la mort, ils vont appeler les jeunes, ils vont appeler les populations. Et à travers ces populations-là, qui sortent pour lancer des pierres et brûler, quand tu vois la famille de son Sonko, tu ne vas même pas voir sa femme, ses enfants, ni son oncle. De même que mhm. la famille de notre cher président Macky Sall, mhm. tu ne vas pas voir Amadou Sall, je vais le dire ah <laughs> honnêtement, tu ne vas pas voir Marine Faye Sall, mhm. notre grande dame, qui va prendre des pierres ou bien lancer quelque chose. Donc il faut que les Sénégalais soient conscients, conscients que le Sénégal les appartient, les et que la vie est chère. Il faut être une personne intègre, une personne intelligente. Il ne faut pas être un robot ou bien être une machine. Donc c'est à cause de cela que j'ai fait ce son pour euh, conscientiser les populations, notamment la jeunesse, et dire aussi merci à nos marabouts, surtout la Khalif général des mm-hmm. Mm-hmm. et dire aux autres marabouts, mm-hmm. aux autres khalifs qui sont dans les autres maisons religieuses, de prendre leurs responsabilités à demain. Si, si, le président Maxal n'est pas dans un bon chemin, il faut qu'il ose dire au président arrête ce, que vous, cette chemin que vous avez emprunté mhm. vous mène dans la guerre avec les populations. Mais si il y a aussi les opposants qui font des scénarios ou bien qui créent des choses mhm. qui ne sont pas vraies aussi, mhm. il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que nous, on n'écoute pas le président, on n'écoute pas ces opposants-là. En vérité, les populations écoutent les chefs religieux. Donc c'est à eux de prendre la dernière décision et la première décision. C'est ça. Euh, chers internautes, c'est tous ceux qui nous pratiquent sur la, euh, sur la Dépêche TV. Euh, vous êtes dans votre émission d'art, d'art 100% culturel. Nous recevons pour vous un grand artiste, un artiste international qui nous vient de Dakar. Mais Shingo, j'aimerais vous poser une petite, l'avant-dernière question. vous, vous êtes à Kola depuis quelques, quelques temps. Je pense très bien que vous avez eu à courtoisie, à, à, des, jeunes talents, des, jeunes artistes euh, bah, Est-ce si, par exemple, on vous demande aujourd'hui euh, quelle euh, perception que vous avez euh, par, rapport dans le milieu, dans le milieu du rap coldois, qu'est-ce que vous allez nous répondre Donc c'est une réponse très simple. Oui. À Collois il y a la culture, mais il manque de promoteurs culturels. Ok à Kolda, il y a la culture, mhm. bien les cultures, mhm. mais il manque de promoteurs. cest cela veut dire qu'il y a des jeunes talents Il y a des jeunes talents qui chantent bien, qui, dansent bien, qui rappent bien, mais le problème c'est qu'il manque de bons promoteurs culturels. Des gars qui font de bons spectacles, qui connaissent le milieu de la culture pour pouvoir propulser mhm. les artistes au niveau national et au niveau international. Mais il y en a quelques-unes quelques, qui font de bons jobs notamment des gars comme Yeli, mhm. mhm. euh, des gars comme Kana, des, gars comme la piste de Farava, oui. oui. Ils font des spectacles, ils mhm. font il faut monter des, les jeunes talents. Quoi. Ok, c'est ça. Donc, cher euh, chers internautes, vous avez compris que Kola regorge des talents exceptionnels, euh, des jeunes talentueux. alors, pour tous les promoteurs qui nous suivent sur la Dépêche TV, vous pouvez vous intéresser aux artistes ils sont là, ils ont des talents exceptionnels et vraiment qu'ils méritent, qu'ils, euh, méritent aujourd'hui d'être, euh, d'être produits et être sur le marché interna, international. Euh, Shingo, nous sommes euh, au terme de notre émission. votre dernier mot Mon dernier mot, donc je dis merci au bon Dieu. Et je prie notre cher prophète Mohamed. Et je remercie aussi mes parents, mhm. mes parents mhm. et toutes les bonnes personnes mhm. qui sont de près ou de loin qui ont participé pour la réussite de, de notre carrière artistique et de, notre, de nos déplacements à travers les 14 régions du Sénégal, notamment et dans la Suisse Il y a aussi des politiciens, des, <laughs> des, hommes politiques qui ne sont que des vrais menteurs, qui ne font que brûler le pays pour leur propre intérêt, des politiciens qui ne font que monter des scénarios pour leur propre intérêt. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse ça pour dire aux populations que le Sénégal nous appartient. Ah le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. Mm-hmm. Le Sénégal n'appartient pas à Sonko, mm-hmm. ni aux autres hommes politiques ou ah bien aux, autres euh, partis politiques. Si le Sénégal devait appartenir à quelqu'un ou bien à mm-hmm. quelqu'une, le Sénégal devrait apprendre à appartenir à Saint Touba ou bien Mam Aladj Malik si, Bagnas, ou bien à saint ou bien les, les, euh, les les hommes, les hommes religieux qui se sont battus corps et pour libérer mm-hmm. euh, le Sénégal de, de et euh, des Occidentaux euh, qui sont en train de nous épuiser jusqu'à présent depuis les temps coloniaux. Comme le Sénégal n'appartient pas à ces dignitaires religieuses là mm-hmm. donc le Sénégal appartient au Sénégalais. Donc c'est pourquoi les jeunes ne, ne devraient même pas écouter ces euh, médiocres, politiciens qui leur disent que non, sortez, on va brûler, on va euh, lancer des pierres, on va insulter celui-là ou bien euh, cette personne-là. Mhm. Parce que s'il s'agit de descendre des cars, mhm. descendre des édifices publics, mhm. notamment des ministères, notamment l'Assemblée nationale, c'est notre argent. Effectivement. Mais les politiciens sont intelligents. S'il s'agit de mm-hmm. discuter mm-hmm. des trucs qui leur arrangent, ils vont être ensemble, même mm-hmm. pas 10 personnes pour discuter. Mais s'il y a la mort, ils vont appeler les jeunes, ils vont appeler les populations. Et à travers ces populations-là, qui sortent pour lancer des pierres et brûler, quand tu vois euh, la famille de Sonko, tu ne vas même pas voir sa femme, ses enfants, ni son oncle. De même que mhm. la famille de notre cher président Macky Sall, mhm. tu ne vas pas voir Amadou Sall, je vais mhm. le dire ah <laughs> honnêtement, tu ne vas pas voir Marine Faye notre grande dame, qui va prendre des pierres ou bien lancer quelque chose. Donc il faut que les Sénégalais soient conscients, conscients que le Sénégal les appartient, les et que la vie est chère. Il faut être une personne intègre, une personne intelligente. Il ne faut pas être un robot ou bien être une machine. Donc c'est à cause de cela que j'ai fait ce son pour euh, conscientiser les populations, notamment la jeunesse, et dire aussi merci à nos marabouts, surtout la général générale de Mourides, et dire aux autres marabouts, aux autres khalifs qui sont dans les autres maisons religieuses, de prendre leurs responsabilités à demain. Si, si, le président Maxal n'est pas dans un bon chemin, il faut qu'il ose dire au président arrête que vous, cette chemin que vous avez emprunté, mhm. vous mène dans la guerre avec les populations. Mais si il y a les opposants qui font des scénarios ou bien qui créent des choses mhm. qui ne sont pas vraies aussi, mhm. il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que nous, on n'écoute pas le président, on n'écoute pas ces opposants-là. En vérité, les populations écoutent les chefs religieux. Donc c'est à eux de prendre la dernière décision et la première décision. C'est ça. Euh, chers internautes, c'est tout ceux qui nous pratiquent sur la, euh, sur la Dépêche TV. Euh, vous êtes dans votre émission d'art d'art 100% culturel. Euh, nous recevons pour vous un grand artiste, un artiste international qui nous vient de Dakar. Mais Shingo, j'aimerais vous poser une petite, l'avant-dernière question. vous, vous êtes à Kola depuis quelques, quelques temps. Je pense très bien que vous avez eu à, courtoisie, à, à, courtois, courtois, des, jeunes talents, des, jeunes artistes euh, bah, Est-ce si, par exemple, on vous demande aujourd'hui euh, quelle euh, perception que vous avez euh, par, rapport dans, le milieu, dans le milieu du rap euh, Qu'est-ce que vous allez nous répondre Donc c'est une réponse très simple. Oui. À Kolda, il y a la culture, mais il manque de promoteurs culturels. Ok à il y a la culture, mhm. bien les cultures, mhm. mais il manque de promotion. cela veut dire qu'il y a des jeunes talents Il y a des jeunes talents qui chantent bien, qui, dansent bien, qui rappent bien, mais le problème c'est qu'il manque de bons promoteurs culturels. Des gars qui font de bons spectacles, qui connaissent le milieu de la culture pour pouvoir propulser mhm. les artistes au niveau national et au niveau international. Mais il y en a quelques-unes quelques, qui font de bons, jobs, mm-hmm. notamment des gars comme Yeli, mm-hmm. mm-hmm. euh, des gars comme Kana, des euh, gars comme la piste de Farama oui. Ils font des spectacles, ils font monter des, les jeunes talents. ok C'est ça. Donc, cher euh, chers internautes, vous avez compris que Kola regorge des talents exceptionnels, des jeunes talentueux. alors, pour tous les promoteurs qui nous suivent sur la Dépêche TV, vous pouvez vous intéresser aux artistes ils sont là, ils ont des talents exceptionnels et vraiment qu'ils méritent, euh, ils, méritent aujourd'hui euh, d'être, produits et être sur le marché international. Euh, nous sommes euh, au terme de notre émission. votre dernier mot Mon dernier mot, donc je dis merci au bon Dieu. Et je prie sur notre cher prophète Mohamed. Et je remercie aussi mes parents, mes parents mhm. et toutes les bonnes personnes qui sont de près ou de loin, euh, qui ont participé pour la réussite de, nos, de notre carrière artistique, de, notre, de nos déplacements à travers les 14 régions du Sénégal, notamment et dans la sous-région. quoi. J'en profite aussi pour remercier ma famille adoptive, ou bien ma famille de Kolda, la famille Diao Kunda, euh, Djiba Diao, mhm. que je remercie. Et puis moi aussi, je vous remercie, vous, mhm. Bangura, et votre caméraman, parce que vous êtes en train de faire un bon job malgré que vous n'avez pas les moyens comme TFM, mm. les moyens comme DTV, mais vous êtes en train de vous battre corps vous et votre caméraman, pour faire ce boulot. Donc j'ai pris au bon de vous donner le maximum de matériel et de créer une cohésion et une entente dans votre équipe pour que vous puissiez propulser encore la culture coldoise ou bien la culture sénégalaise, africaine à travers votre chaîne, la DPS TV. Donc vous êtes à et à encourager. Donc, euh, tous ces encouragements, je donne ça à votre directeur, euh, M. Diop. Monsieur Diop, que je salue de ce qui est un jeune très engagé. La DPS TV, Tchikao, Tchikanam, Tchurba, que tout le monde dégueule ce dialogue cela. Merci. Allez, merci. Euh, ce sont les derniers mots de, notre artiste international, Shingo. ce sont ces, ces, prières qui vont mettre fin à cette, cette émission. je vous rappelle que c'est euh, cette émission, nous sommes au deuxième numéro euh, de cette émission. L'émission s'appelle Dar c'est 100% culturel. Une émission, c'est une émission locale, nationale et, internationale. Vous verrez que nous allons recevoir dans cette émission, Inch'Allah, des jours à venir, des artistes internationaux, Inch'Allah, et des artistes nationaux et euh, locaux, Inch'Allah, dans cette émission. Et je remercie mon, mon dévoué caméraman. Abou Sissé et l'infatigable. Et franchement, euh, ce fut un plaisir pour nous, euh, chers internautes. Merci.